sans qu'on ait eu la possibilité d'approfondir l'analyse, c'est simplement en amenant les éléments de transparence à la surface. Lancer un appel d'offres, ce qui a permis tout de suite d'avoir une baisse de 22%. Cela veut simplement dire, et on y reviendra, que sur tous les produits de consommation, les grands produits de consommation courants, il y a des marges que le gouvernement va aller rechercher Quelles sont les perspectives sur lesquelles nous travaillons actuellement Il y a d'abord les mesures d'accompagnement de ce que nous venons d'annoncer. Nous devons revenir à une régulation et une maîtrise des prix. Ce qui se passe sur les prix ne traduit pas simplement un prix, disons, d'acquisition, mais il y a parfois de la spéculation ou bien des marges particulièrement élevées qui sont appliquées. Le gouvernement a décidé, comme mesure d'accompagnement à ces mesures, de mettre la régulation et la maîtrise des prix au centre de tout. Par le renforcement du contrôle économique. Mais en cela, nous faisons un citoyens pour qu'ils fasse des acteurs de la surveillance du respect des prix homologués. Je le signale tout à l'heure. Pour assurer cette régulation, le gouvernement va revenir au système des magasins témoins dans toutes les localités. Des magasins témoins vont être mis en place en impliquant les jeunes et les femmes ça créera des emplois et ça donnera également une traduction concrète de l'engagement du gouvernement désormais de faire du service civique et des volontaires civiques une arme de développement. Donc ça va être mis en place au travers des magasins témoins, les moins jeunes s'en rappelleront la Sonadis, qui était donc une société de l'État qui parvenait à réguler les prix. Ce n'est pas pour aller concurrencer mais c'est pour aller faire l'affichage clair et net. Il y a également le marquage des importations et la digitalisation. Nous allons utiliser beaucoup de la digitalisation pour que les spéculations et les marges indues ne soient plus de mise. En ce qui concerne le pain, le décret relatif donc à la vente du pain va être également réactivée de sorte que les prix tels qu'annoncés puissent être mis en œuvre. Ça, c'est des mesures d'accompagnement pour les premières mesures que je viens d'annoncer. Mais ce qui s'offre surtout, parce que le projet a été prédicité par les Sénégalais pour assurer une autre façon de gérer. Et là-dessus, le Premier ministre reviendra au niveau de sa déclaration de politique générale. Un nouveau référentiel de politique économique, euh, sociale, sera mis en œuvre avec une vision sur 25 années. Une vision qui met la souveraineté alimentaire au centre des préoccupations. Et avec de très grandes réalisations attendues ce premier plan quinquennal 2024-2029. L'objectif, c'est d'arriver à avoir un coût de la vie au Sénégal parmi les moins chers en Afrique, en boostant la production locale. Mais surtout en réduisant les coûts engendrés par de l'intermédiation non indispensable. Il y a beaucoup d'intermédiaires dans les Ce qui a été retenu, c'est que désormais, pour l'approvisionnement en produits essentiels, le ministre en charge du commerce est en train de travailler là-dessus. Je parle notamment du pétrole, je parle notamment du riz. L'État s'est rendu compte que sur le pétrole, il y a des marches qui ne s'expliquent pas. Parce que il est anormal qu'un produit pétrolier qui coûte moins cher au Mali qu'au Sénégal au Burkina, par exemple, au Sénégal. Et l'analyse a vu qu'il y a des coûts induits. Et donc l'État va s'engager dans les affaires d'offres. On l'a fait pour l'engrais, ça a réussi. On le fera pour tous les produits de grande consommation et qui peuvent avoir un impact sur le coût de la vie. Les détails seront passés en revue et comme nous l'avons fait avec euh, ces mesures que je viens de vous annoncer, ça se fera avec méthode et dans toute la sérénité requise. Il a été également décidé euh, que les commerçants qui sont particulièrement actifs dans le négoce puissent quand même commencer à aller investir la production ou en tout cas la commercialisation des produits qui sont localement disponibles à travers surtout les aménagements qui ont été faits. Donc, désormais, ce sera concerté, mais ça a été décidé. La délivrance des déclarations d'importation de produits alimentaires sera conditionnée à une implication dans la production et ou la commercialisation de produits alimentaires cultivés localement. Parce qu'il n'est pas normal que le négoce soit le seul élément par lequel des gens arrivent à faire beaucoup de marches, sans pour autant que la production locale n'en profite. Il a été également décidé, euh, parce que l'électricité coûte cher, le gasoil, l'essence, que nous allons diversifier les sources d'approvisionnement en pétrole du Sénégal. Il y a également un élément essentiel, c'est que, encore une fois, c'est les toutes premières mesures, parce que nous venons à peine de faire deux mois. Nous sommes engagés sur un chantier important de réduction du train de vie de l'État. Et tout gain tiré de la réduction du train de vie de l'État va être réinvesti sur le filet social, sur la réduction du coût de la vie. D'ores et déjà, il a été décidé, par exemple, de centraliser tout ce qui est commande publique pour éviter qu'il y ait des centres de commande, disons, épars, malgré le fait que le dispositif de commande publique est solide. Mais jusque-là, nous nous sommes occupés des conditions de déroulement des transferts, mais il faut aller chercher donc des gains d'échelle. Et donc la commande publique, désormais, va faire l'objet d'une centralisation et nous attendons énormément de la réduction du coût de l'État. On ne peut pas avancer des chiffres, mais ce que nous avons vu en deux mois nous amène à croire qu'il peut y avoir énormément de réductions sur tous les aspects. Sur tous les aspects, et ça a fait l'objet d'une communication en Conseil des ministres par le Premier ministre. Il y reviendra plus en détail dans sa déclaration de politique générale. Un dernier aspect, c'est que nous ferons désormais que les mesures de subvention, les mesures de baisse de prix soient des mesures ciblées. Je donne juste un exemple. Aujourd'hui, le pétrole, l'essence et le gasoil sont subventionnés. Est-ce qu'il est normal que le ministre juste puisse bénéficier de cette subvention est-ce que c'est normal que les directeurs généraux de sociétés privées, de la Sonatel, le Fonds monétaire international, les représentants, les diplomates ici, tous bénéficient de cette subvention Désormais, nous allons travailler vers un ciblage des subventions. Nous n'attendons pas qu'on nous le dise, mais c'est ça qui correspond à la façon dont la gouvernance, cette nouvelle gouvernance d'un Sénégal souverain, juste et prospère, cette gouvernance devra désormais faire de sorte que ça soit les personnes qui ont réellement besoin d'une assistance qui vont en bénéficier. Et ça va aller au-delà simplement de la subvention, mais c'est également comment faire de sorte que ces bénéficiaires, notamment du filet social que constitue la bourse de sécurité sociale familiale, que ces personnes-là puissent en bénéficier. Voilà, mesdames et messieurs, en français et je m'en vais rapidement faire un résumé en Wolof et après on passera aux questions. Euh, ñu ngi fi pour euh, yëgal Sénégalais yi li nga président Diomaye Faye dogal na ko ci premier ministre Ousmane Sonko pare na liggéey bi pour que njëg yi wàññeeku pour que ñu